aleykum wagadu vision tv ora xa kuñ ora xa xanta gel ban so taxu dingiraw ci xarangani be kitiga li ngem pa di xeri gabe way keni nokshota fizo 7e edition ke e wa lenki way keni stade arena senegal remuku ido guinée bissau waga gemu final nga daro o jouer yere kunde e wa lenki way no ga jouer no kutirini ban su uh, avant gunu angar humbe be santire match ke xibare e wa watel Yang Dramé salaam aleykum waaleykum salaam ça va bien amako amako cahanteña anda mani sentire match ki No. non lengi match nga ro match ko josun bana parce que lengi final ya gilla commencé de watana won mana kita donc on continue la victoire <clears throat> sénégal yirigin do yorunju équipe nationale ju anya fo lomu anya fo horo asul coupe nyawut o gam mako lengi wana coupe mutu murten jamana

donc kenni o kuɗa sewoña nanka fo sénégal délégation ke aɗa xadi na li sénégal soni ko représenter donc c'est une fierté pour nous yo xom xagatumoxon ɓe activité nu ngay gelli gelli mercredi donc euh, lancement kenya kenya ken pale conférence nu ña donc xarankanu euh, ña euh, ken ɗo foire nu ngay aɗo xadi o nga xadi football fiani fiyani kara fi xoore ñani donc édition football ke xa way a laraña oɗo pré match joué oɗo mali do katou donc deuxième match contre Guinée, Guinée Conakry Odi Kadou. Donc on a qualifié d'un finale direct. Odo Mauritanie qui est organisateur. Euh, Allah Nawen d'abord di Kadou donc euh, au final. Donc finalement, on a gagné en tant que joueur gagné donc a gagné le camor, donc en adversaire ngana donc tant a joué de toute façon le temps de 5 minutes donc on a gagné le gagner en tout cas le vraiment est on a donc confiance dans le kiniya Et, inchallah final a gagné la inchallah coupe inchallah inchallah chez vous on représente le couleur national Sénégal donc les 5 personnes qui rentrent dans le terrain kuvengarol tenekeno xana tunanti xa fay sénégal drapeau a feni a maxayan xa kamu kamu kamu xamene fa sella ke mais u jikken xaya ugur xaron tenekeno u jikken xaya xare xan Allah alla xam xa bugu jikke wori daru xagar kebe de beri asur ko asusur ko donc lengi fo xana foi de beri ina ni le faute na kongo agam punke donc ngé en tant que capitaine de l'équipe je vous conseille de, de concentrer à 200 et puis surtout, n'écoutez pas l'arbitre. N'écoutez pas l'arbitre. Ne jouez pas avec, ne pas avec l'arbitre. Parce que l'arbitre, là, souvent, moi, Et puis, écoutez votre capitaine. Il va vous parler. Si vous avez quelque chose à réclamer, allez le voir, parlez avec lui. Et puis, concentration. Chacun, poste bibliothèque, il nous le poste à respecter. Moins de failles, il y a problème. Concentration depuis goal, ma attaque, ma neuf. C'est la fin. Hier, on a pu faire des erreurs, mais heureusement, voilà, les dieux du foot étaient avec nous. Donc, euh, on a on a gagné. Mais on a fait deux c'était des erreurs. c'était juste un manque de concentration. Parce qu'on a fait deux buts, ils ont pu récupérer le ballon au coup, on était à l'écart un peu. Surtout, on a fait erreurs. C'est-à-dire, ils ne sont pas plus meilleurs que nous.

gagne leen équipe voilà merci merci merci merci merci aka Sumare, maire de 5ème. cinquième Arrière Lengi 3e place c'est Mali Mauritanie Mali 3 buts 1 4 buts 1 4 pour Mali Vision 2023 ici capitale de Mauritanie attends c'est parti c'est parti Mauritanie et Malikotou, troisième place ça de 4 bis 1. Voilà, Sénégal, euh, Sénégal, Guinée-Bissau. Ballon à euh, Guinée-Bissau Rimara pour l'instant. Atar ballon Kotou, ballon pour Guinée-Bissau. Attends, numéro 10 Guinée-Bissau, ballon numéro 10 Mara. À repasser, ballon, attention, attention, Guinée, attention, tout ballon pour Guinée ballon pour Guinée Sénégal récupération des ballons pour Sénégalais Moussa attention numéro 14 Sénégal Djibi Ah, corps euh, mètres c'est euh, pour le Sénégal ballon sénégalais de maxa euh, tasar passé numéro 4 Walid Diagouraga ah mal attention attention récupération de Guinée-Bissau touche pour Sénégal ballon sénégalais de maxa ballon sénégalais de maxa c'est ballon sénégalais de maxa attention Récupération de Guinée-Bissau au centre. 6 euh, mètres. 6 euh, mètres pour le Sénégal. 6 mètres. Gardien Sénégal, ballon de Guinée classé à Attention, ballon oh, touche. Attention, c'est Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, ballon de Guinée-Sénégal, ballon Bissau. Bissau, Maroc entré. Attention, contrôle Guinée-Bissau. Attention, ah, ouais, le tête, ballon tête, attention. Pour le Sénégalais, ballon au Sénégal, Maroc. Sénégalais, toujours ballon au sénégalais de centre. Euh, attention pour les Sénégalaises. Ballon pour Sénégalaises, attention. Ballon pour les Sénégalais. Attention Sénégalaises. Ah, ballon pour Wali Diagouraga. Ah, touche. Ballon pour les Guinée-Bissau. Bissau est 18, S'il passe, des préparations. Ah, pour les s'il passe les préparations. Attention, couvrant. Ah, couvrant pour les Guinée-Bissau. Couvrant pour les Guinée-Bissau. Bissau. Couvrant pour le Bissau barrage. Attention, ballon pour euh, Guinée-Bissau. Attention, euh, touche pour le Guinée-Bissau. Toujours ballon pour le Guinée-Bissau. Centre euh, récupération de Guinée-Bissau. Attention, ballon pour le Guinée-Bissau. Bissau est mara. Guinée-Bissau est mara. Ballon bien. Gardien sénégalais, ballon la Ganafita. Adagatombe tombe justo sénégalais 18 h sénégal guinée bissau coupe 7ème édition finale sénégal guinée bissau 0 0 0-0. Ballon pour le hâte. Le euh, Dramé, merci beaucoup. nous sommes au stade Inter Arena de Nouakchott. Nous assistons à la grande finale. Un premier but But de la Guinée-Bissau, le numéro 12, numéro 2, à la 12e minute. Guinée-Bissau 1, Sénégal 0. Nous jouons depuis, nous depuis 8 minutes. Il reste 12 minutes à jouer après le premier mi-temps. La Guinée-Bissau vient d'ouvrir le score par l'intermédiaire du numéro 2. Et numéro 2. Et nous jouons, comme, comme je l'ai dit tantôt, et c'est la finale de la Copo Fijo 2023, Mauritanie 2023 et qui oppose le Sénégal à la Guinée-Bissau. Ah, ballon à attention pour le Sénégal à ah, faute. À Kéti Sénégalais qui tenga. Faute alors ballon Sénégal Guinée-Bissau, Guinée-Bissau, ballon pour la Guinée-Bissau, 18 c'est pas de préparation, c'est pas de préparation de Guinée-Bissau. Penalty, penalty pour la Guinée-Bissau. Penenti pour le Guinée-Bissau. Penenti euh, pour le Guinée-Bissau. L'arbitre qui souffle en penenti pour le Guinée-Bissau. Ou c'est couvrant ou euh, penenti. L'arbitre qui décide de quoi Attends. Attends. Ah, penenti. Penenti. Penenti pour le Guinée-Bissau. Penalty pour les Guinée-Bissau à la sixième minute. Bissau, oh, raté, raté, raté, raté. Guinée-Bissau, raté de son penalty. Guinée-Bissau, le penalty raté. Oui, Guinée-Bissau, le penalty raté. Ouais. Remplaçant, il n'y a pas. Ouais. Euh, fin du match. Euh, ok, première période alors euh, deuxième mi-temps fay euh, deuxième mi-temps euh, Sénégal Guinée-Bissau deuxième mi-temps un pour le Sénégal un pour le Guinée-Bissau zéro pour le Sénégal finale Fison 2023 septième édition on est en direct Ouagadou Vision El Diarali en direct El Diarali TV ici stade Arena de Dakar à tout à l'heure voilà, le retour ici pour deuxième euh, période. On va voir qu'est-ce qui se passe. Euh, premier mi-temps, 1-0 pour euh, Guinée-Bissau, marqué par Bassiroulo. Bassiroulo qui marque. Bassiroulo qui a marqué. Wachai Gadam application pour les techniques de combat. Thank you. Kami sambang kamera pun sentuh apa pun dan couleur bi maanaam keneen day dugg sa place mais yow tu es disqualifié Woo! champion. la voilà notre fierté. Alhamdulillah Rabbil Almina. Pendant 7 ans, 7 émission, on voulait cette victoire là. Alhamdulillah Dieu nous a donné. Machallah, on représente le club de Sénégal. C'est le pour le Sénégal, c'est notre étoile, c'est notre fierté. On arrive Sénégal, Inch'Allah. Oh, avec le couple, on arrive, Inch'Allah, Sénégal. Voilà, comment, comment, comment. On l'a fait On l'a fait voilà comment on Robert. France, ma 7 édition, Je me rappelle bel et bien, en 2018, Mauritanie Garine du Sénégal. Odiangé un match de poule. Sénégal Namrak Sénégal Voilà, on est match de poule en Mauritanie. Mais ça n'a pas empêché. Il a de fait tout, comme quelque chose de positif. Ils ont rassuré. Ils ont assuré aussi. Les prochaines matchs, ils sont assurés. Il idaga final iɗo sénégal il final au katu wacca 7 cette édition en terre mauritanienne au premier rencontre il iɗo On a mali gemi iɗo 3 0 mais au deuxième match on a assuré notre victoire ken a rassuré et puis ça permet de remotiver le groupe donc on a coalition la mbaɗi cest à dire souvent olofnga kono moi, moye manque o Au namli on kafi on a ngutu au café ona wale Voilà, donc comme on a une histoire ka continue donc Mauritanie 7 ème édition au premier rencontre au Katou on rencontré rencontre Koutunga On au demi-finale contre le pays organisateur du FISO 2023 on est éliminé par Tirobi maintenant en finale contre le, le champion Québec a trouvé au Gambie en 2020 c'est la Guinée-Bissau donc Guinée-Bissau au la finale donc allez y tirer à Ido Walenga il ha malheureusement e dañi jari toña fay sigi kane donc jari dogura walé mbosiya na tuyndi nanti sénégal reme sun jari teñay sénégal reme sun jari teñay donc toujours nga kono dañu manko jël namli au café wala wale ngutu au café wala ngutu donc nati je félicite d'abord toute la délégation sénégalaise toute la délégation sénégalaise sans exception igo ase yaran kase lemna mucinne ogana gri kenga ono artiste nous remercier ogana gri kenga ono presse remercier ono presse ci kengari franchement ils nous ont accompagnés a couverture d'abord nga fiso ke nogonga franchement parler i couverture ka siro a framparo angara no pass facebook nga angara ga telenga na fiso ke bana walla machallah donc onati sénégal danga o ka ha ori alla da walen kilo alla da hada marame duna hibana tan kapenyani tagana kay hagara me famu hagara me raga khanyana bana me haga makafi haga me raga khasan kini me ya khata hanka kita kenga donc o faga ke ya alla da hankan kilo alla da walen kilo donc onati haisa so so anganye C'est vrai que Sénégal a la Coupe Moudou. Khassoni Garasou a gagné. Guinée-Bissau la Coupe Moudou. On a a dit onaati Mali la dit dit, donc franchement on remercie tout le monde on va on hein. pour leur accueil ils doivent respecter on a dit merci pour tout le monde merci merci merci merci merci donc euh, on a soukuni on a soukato on a soumama donc euh, vraiment Sénégal drapeau donc c'est bon tout donc euh, hein. en fait l'équipe nationale du Sénégal donc le Sénégal représente et à l'arrivée donc euh, on recoupe fait. Donc euh, voilà coup, voilà, ce fait difficile même. c'est fait difficile donc euh, pour conseiller même une équipe. C'était une, une, chose impossible. Donc mais à l'arrivée on l'a fait. On, l'arrivée on l'a fait mais finalement on recoupe qui remporte quoi bi xanaa kontaan rek kontaan trop o kontaan moxo suro seo o ga irin équipe ke sere sumayiga saxoya a lara newoye ndabaroda o ri o joué tranquillement au premier match euh, euh, fait mori guinée do katu donc a sore simanata ñamea deuxième match on s'est rattrapé oɗa différence a ɓari oɗa pe organisateur katu a larodema lenki final o qualifié wada guinée bissau katu donc kera koye nante sénégal hoɗanganonga hoɗanga birene dononga ama cope lenki a cope gel équipe national kammu nali lokonunga nali ma sonin kara sonin konga Donc vraiment, c'est une fierté pour nous, Sorinkara, de représenter tout le Sénégal. Donc vraiment, c'est une de manière. Je même pas les mots. Mais quand même, on va coupe dédié au directeur Idrissa Djabira. Franchement parler. Donc on lui donne ce trophée. Donc on a son maman.